président bi bëgg lu en même temps c'est bien c'est bien dans sa communication au conseil le premier ministre a fait part de la délicate problématique du trafic de bois et de la déforestation dans les régions sud et l'est du pays il a relevé que les mesures mises en œuvre par le gouvernement n'ont pas permis à ce jour de mettre fin à ce fléau, malgré les risques d'une catastrophe environnementale et écologique. Le premier ministre Ousmane Sonko moo ko né nous daal <clears throat> def attention ci lépp lu jëm ci wàllu sunu ay ressources ba ci bant bi ñoo jël charbon de bois nañ ci xel hein, euh, dans l'est du pays et au sud euh, na araftu na et il a relevé que les mesures prises en œuvre, que les mesures mises en œuvre par le gouvernement n'ont pas permis à ce jour, jusqu'ici, les états jot de def de les risques d'une catastrophe environnementale et écologique. Face à cette situation, le Premier ministre a informé le Conseil de l'organisation prochaine d'une rencontre interministérielle sur ce dossier. Dans cette perspective, il a souligné l'urgence de procéder à l'audit des ressources financières importantes mises en place par l'État pour la montée en puissance de la direction des eaux et forêts, chasse et conservation des sols d'EFCOS, en particulier celles destinées à la fourniture d'équipements de sécurité, de véhicules, de véhicules d'intervention et de matériel technique. Il a relevé, également relevé l'importance attachée au suivi de l'activité minière dans les zones concernées. Wow, <laughs> Réew par force Inch'Allah. Réumi par force Le Premier ministre a également relevé l'importance attachée au suivi de l'activité minière dans les zones concernées. Le Premier ministre a par ailleurs rappelé au ministre l'impérieuse nécessité de veiller au strict respect des dispositions encadrant la circulation et les correspondances administratives. Problème amna de. Problème bu maga maga maga amna. Wa yalla baxna. Ousmane président Bassirou Diomaye le premier ministre Ousmane Sonko l'ensemble du gouvernement Le Premier ministre a en outre demandé au ministre chargé de la fonction publique, en relation avec le ministre secrétaire général du gouvernement, de mettre en place dans les plus brefs délais une équipe pluridisciplinaire chargée d'une part de procéder à l'évaluation du programme d'appui à la modernisation de l'administration, PAMA, arrivé à terme, et d'autre part de proposer un nouveau programme articulé autour du projet, articulé oui, autour du projet et conforme aux enjeux de l'heure. Le Premier ministre a aussi rappelé les diligences à mettre en œuvre dans le cadre de l'exécution des plans d'action d'urgence des départements ministériels. Là, nous contenant de bataille. Le Premier ministre a clos sa communication en réitérant l'importance à attacher par les ministres chargés des Affaires étrangères et des Transports aériens au suivi étroit de la mise en œuvre des décisions prises lors de la réunion interministérielle consacrée au prochain pèlerinage à la Mecque, en particulier concernant le transport aérien depuis Dakar. Alors, moi et conseil des ministres bien ramené à mon dem euh, dem, palais de la République nous dem directement ci nomination au titre des communications des ministres La tenue est le ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères a fait le point sur la situation internationale le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement a rendu compte de l'état de préparation de la journée nationale du nettoiement et les actions de prévention des inondations au titre des mesures individuelles diral Namolen, au titre des mesures individuelles le président de la République a pris les décisions suivantes le contrôleur général Mam Seydou précédemment directeur de la police de l'air et des frontières, est nommé directeur général de la police nationale en remplacement de l'inspecteur général des polices ou de police Seydou Bokariag, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Aliou inspecteur de l'administration pénitentiaire, précédemment directeur général adjoint de l'administration pénitentiaire, est nommé directeur général de l'administration pénitentiaire en remplacement du colonel Abdoulaye Diagne, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Khalifa Ababakar Karsar, ingénieur en géomatique et spécialiste en gestion des entreprises ou des déchets solides et assimilés, est nommé directeur général de la société National de gestion des déchets SONAGED ah affaire yaa ngi bëgg neex nag Sylvain affaire baa ngi bëgg neex monsieur Khalifa Ababakar Sarr nga ne dafa war a neex loolooy dëgg Sylvain Castanedotti lolou foog nga nekk ku setan football en France 1980 jamono Yvon Leroux jamono Patrick Battiston Patrick. Eh, ba Kasumaaro di dóor eh, saay fàttali baax na baax na de maa ngi ci nomination yi li ma gën a neex ci conseil des ministres bi mooy c'est comme si les gens tenaient compte de la réalité et certainement ça doit être ça kilifa bi sare maa ngi ko ci gërëm bu baax conseil des ministres bi compliqué wul fàttu bu njëkk gars yi dañ daan toog deux heures benn conseil une heure et quelques mais Ligue, c'est vite réglé parce que l'essentiel est ailleurs donc Mugini M. Khalifa Abkar euh, Sar, ingénieur en géomatique et spécialiste en gestion des des déchets des déchets solides et assimilés est nommé directeur général de la Société nationale de gestion des déchets son agent, en remplacement de M. Abou Ba appelé à d'autres fonctions c'est signé le ministre de la Formation professionnelle, pour parole du gouvernement, Amadou Moustapha Ndiaksar. Voilà. Le président Abbasou Diomaye Diakhar Faye, comme tous les mercredis, rencontre son équipe gouvernementale, dont le premier ministre, qui les coiffe. Mais de faut que compte rendre fidèle. Mu xool xam fi booster dal di dox di am lii mooy révolution mu tax laïcité bi yëpp ñuy génne ci rapport yéeme na xam ni ñu def duñ ko guddal duñ ko guddal de du xam fu ñu demee fu ñu waxee boo waxee laïcité sa xel fu mu dem soo waxee administration sa xel am fu mu dem soo waxee pouvoir sa xel am fu mu dem pouvoir nag mooy ñëw teg laïcité jaxase fekk ñëpp ñu ci jàmm amuñu benn jafe-jafe nekk ci dëgg tracé dëgg di dox ci dëgg di warmal dëgg di dundee dëgg di dundal dëgg di réew mi jëm ci kanam mën nañ ci wax loolook loolook loolook loolook loolook li def mooy bàyyi leen ngeen xool seen vidéo conseil des ministres bi certainement jot ngeen ko ci seen ay téléphone wala jot ngeen ko ci site yi wala jot ngeen ko fu ne waaye ñun am na benn façon boo xam ne moom la ngeen kaa proposé ba simple boo xam ne dañuy wax ne que président bi kat ci li fi tënku lépp jël na mesure yi mu waroon jël am na ñoo xam ne ñu ngi woon falu démb ba bëdd ba démb conseil des ministres démb wàcc na leen ñu war a dem ci beneen station te ku ñu wàcc nag du gàcc demal doxi rek liggéey avancé ñeneen jël aduna bi non la tëddee réew mi noonu la war a tëddee ñu ngi leen day sant di leen gërëm di ñaan yàlla wàcce xéewal barkeeg yiw jàmm donkaasi gi jaboot ko barkeel ci sunu ay kër ñun ñëpp ñu fekke tal dund ba sa taat tal ko barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam je vais pas partir sans vous dire que Pass TV yéen a ngi abonné ndànk-ndànk na gën a bar hmm? on veut cent mille abonnés fii ak un mois incha allah on est en train de nous installer de réinstaller des studios UBS bees ñu donc yàlla na proposer de l'info en temps réel et puis surtout sincère lu dëggu ndax ñun Sénégal que c'est am Sénégal